Je alaikum, rahmatullah remercier les nos vaillantes dames nos frères et sœurs qui ont eu l'amabilité de répondre à notre invitation Je remercie aussi la presse qui a voulu immortaliser ces moments comme madame Bengel a dit moi je suis très satisfaite on a trop trop participé, faire partie des premières à, je veux dire, adhérer ou bien à travailler pour la naissance de ce mouvement-là. qui est un mouvement, une alliance, je peux dire que on n'est pas des messies, mais nous, on sait, on peut se prétendre de connaître l'Unbug à Fundium, parce qu'on a vécu. Actuellement, dans ce pays-là, qu'est-ce qui est le, crucial problème C'est l'emploi, l'insertion, le travail. Vous n'êtes que ku nekk da nga bëgg sa doom liggéey sa sa sa mbokk liggéey am liggéey mais ban liggéey ak nu muy liggéeyee ak lu tax muy war a liggéey c'est ça euh, l'angle sur lequel mouvement fa foofu la bëgg jëm ñëpp bëgg nañ liggéey bëgg bëgg nañ ñëpp am liggéey mais aussi balaa ngay mën a dem di liggéey dafa am loo xam ne soxla nga ko hmm. soxla nga ko muy compétence muy xam-xam muy man-man comme disait notre directeur général Sanusi Diakité tout le temps doon xam-xam ak man-man olof bi dañ daan reetaan <laughs> bokkul donc il il faut nga am loo mën a liggéeyee am métier ñu former la pour nga mën a dem booy liggéey ñu jox la gëdd bi nga war a am ak aussi nga mën a bénéficier wu mën a gis sa bopp comme ni ñu koy waxee ci liggéey bi ngay def te boo li boo boo amee compétence am liggéey gis sa bopp en contrepartie en conséquence tu auras contribué au développement de ton pays. Parce qu'en travaillant, on augmente la productivité. L'augmentation de la productivité a un effet sur le PIB et donc la, la souveraineté nationale. Ça ne sert à rien d'aller tout le temps, matin et soir, travailler, soi-disant, alors qu'on ne peut pas contribuer au développement de notre pays. On ne peut pas contribuer à rabaisser le taux d'endettement. Parce que pour être souverain, il faut diminuer le taux d'endettement. Et le taux d'endettement c'est le travail décent qui pourra intervenir pour que nous soyons souveraineté car on ne peut pas je donne l'exemple des banques tout le temps déficitaires, tout le temps y a def lu euh, ce qu'on appelle le le le, découvert découvert au Sénégal on peut si on veut symboliser on est en découvert chaque fois bon banque, am fait nga banque bi donne le mën la salaire 400 000 par exemple yow y nga ba 000 400 000 avant fin du mois pour tout le temps en découverte c'est la situation actuelle de notre pays actuellement et nous ce mouvement qui est né nous voulons attaquer ce problème d'endettement en insistant sur le travail parce que c'est le travail qui peut changer l'économie c'est le travail seulement qui peut modifier notre situation actuelle parce que booy liggéey ñëpp un métier je pense que ngeen di contribuer ndox c'est comme une famille dans la famille il y a une seule personne qui travaille sur sur 10. kii liggéey bu ñëwee li pas, am yëpp da koy ci kër alors que nous l'exemple que nous avons dans nos familles traditionnelles moi je suis de Kirel, Dias je l'ai vécu bu n'avez xale xëy na kenn ma doon liggéey sa mag mooy liggéey dimbali leen ngeen jëm kam ngeen jug mais bu demee ba ñëpp commencé ça sa mag lan lay wax en tout cas man da contribuer ci kër gi qui ki contribuer day dema dem ba yow li ngay cotiser plus barrette. Mhm. donc tu peux faire des économies mhm. c'est on prend ça au niveau familial au niveau villageois et au niveau macroéconomique mhm. Sénégal bu pouvez pas contribuer ci PIB par le paiement des impôts par la, limitation des exportations par, exemple par la consommation par exemple la production là il y a beaucoup de femmes qui sont entre beaucoup de groupements qui font ça Madame Bengue, vraiment je la félicite j'ai eu à travailler avec elle à plusieurs reprises donc je vois le résultat et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ça Vous faites qu'on une ñii chaque fois nous ñu la ligne dem nous, fille, elle elle en gagne nous en mais aussi le fait qu'elle va contribuer à au développement à la classification donc c'est ça qui donc le truc du mouvement la vision du mouvement c'est pas encore que les objectifs ne sont encore définis mais c'est faire ça que nous allons et c'est ça qui a fait qui m'a encore motivé en tant qu'ingénieur de la formation experte en formation ayant travaillé avec des groupements jusqu'en mars, tu te rends compte que dès femmes tes dañuy liggéey ndekete peut-être on est là mais dans les grands grands villages je peux dire les femmes nous avons un tol, du produit, du riz du quoi transformer la chaîne de valeur nga gis des gâteaux, ceeb nga gis ay ay ay en 15 en des confitures de mangue nga ne des femmes yaa ngi alors que nous, nous ngi télé nous suñu écran yi ligue amour. mais il faut les organiser il faut les formaliser comme dit madame Meg et il faut faire de telle sorte que la chaîne de valeur puisse être respectée et que tout le monde participe et aussi pour finir je peux dire pour tout ça il faut des gens qui puissent porter ces projets là des gens qui sont là qui ne sont que pour ça parce que par exemple le DG aussi, lui, je l'ai connu, je l'ai pas, je l'ai connu vers 2014-15 quand il m'a copté à l'ONFP. J'étais au ministère de la formation professionnelle. Il m'a dit, j'ai besoin de vous. Je suis venu sans être convaincu. Mais je savais que j'avais un côté développement et que je pouvais accompagner des femmes à faire sortir leurs compétences. Donc c'est ça, il m'a forgé, il m'a formé, il m'a orienté. Et merci, euh, Sanoussi, pour ça il y a mot éclore parce que tu peux avoir des connaissances tu peux avoir des connaissances, mais il faudra qu'on t'oriente pour que tu puisses exploser donc c'est ça maintenant lui comme Mme Mengela a dit c'est un acteur de développement c'est lui qui a inventé la machine à décortiquer le fognon le fognon c'est une céréale nous économie familiale nous savons les avantages nutritionnels du fognon et de tous ces céréales là donc lui il a travaillé dès le bas quand on était à l'NCTP on entendait parler de lui celui qui a décortiqué, qui a inventé une machine. Il est sorti de l'NCTP. Nous, on faisait de lui notre idole, mais on ne le connaissait pas. À un, moment, donné, tout le monde voulait dire ça nous c'est mon fan de Kekouan Et quand on a eu la chance de le voir, on, s'est rendu compte effectivement que dès était Moumlini maximum, il y a plus même. Et il travaille en rassemblement. Tout ce qu'il fait, c'est le développement des femmes et des, sociétés. Parce que quand la femme se développe, comme dit Mme Beck, ça, impacte sur la famille. Il y a un impact sur la famille. Donc, ça, c'est vérifié. Et donc, ce qui est en plus vérifié, c'est le travail. Pour avoir du travail, il faut être compétent. On ne peut pas prétendre à un travail sans avoir de métier. Tout le temps, je suis trop sur les réseaux sociaux. Chaque fois, je vois les jeunes dire, moi, j'ai déposé 1000 CV. Ils te disent, moi, j'ai déposé la manette, j'ai déposé 1000. Mon oncle m'a demandé tant de CV, j'ai déposé, mais rien. Mais je dis, la réponse que je donne, si vous avez quel CV vous avez quel métier Vous avez quelle compétences Il ne suffit pas d'avoir des CV, mais il faut avoir du métier. Un métier, une activité professionnelle pour pouvoir prétendre à un emploi. Et c'est la qualification et la formation, comme c'est dit dans le manifeste, pour permettre à une personne d'avoir des chances d'emploi. Donc nous, on va vers ça, accompagner, aider et orienter, mettre les ressources sur l'emploi. Et tout ce qui veut accompagner vers l'emploi, c'est ça l'idéal la mission du mouvement. Et pour finir, puisque c'est un mouvement naissant qui vient de naître, il nous faut une petite organisation pour pouvoir démarrer certaines activités. Et dans ce sens-là, moi, sachant que je pas trop de temps, je suis en activité, je travaille. Euh, M. Gassama, qui est l'initiateur, c'est quelqu'un qui m'a occupé. M. Sansi lui, connaissant ça aussi, même on lui, on lui demandait de soulever la Lune pour avoir ce résultat, il allait le faire. Il n'est pas préoccupé par les... Je le dis parce que ce n'est pas lui. Nous, on était ses, ses, ses agents. Nous avons dit, Mon son problème avec toi, c'est pas, Yo, qu'est-ce que... Le document que je t'ai donné là, pourquoi tu ne l'as pas fait Il t'a mis dans son bureau. Tu as écrit ça. Quelles sont les raisons ou bien qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce document à pouvoir, par exemple, à dire qu'elle doit faire telle formation. Il faut se justifier. Donc c'est ça. C'est ça la personne. Donc c'est quelqu'un qui, qui, dont le problème, il est à la retraite. Il pouvait être à la retraite. Il a ses enfants qui, sont, qui travaillent, machallah. j'essaie de dire, je sais que vos, enfants occupent de grands postes, des ingénieurs. Mais lui, il se lâche pas. Il est sur le terrain, il est à Kolda dans ses champs, il est dans les maïs, les, les, etc. Je le suis. Donc, je voulais proposer provisoirement, par exemple, on vient de démarrer, il faut un fil conducteur. Donc je voulais proposer que nous Diakité soit érigé comme, en tout cas, dirigeant provisoire ou comme président du mouvement pour qu'on puisse aller vers l'avant. Parce que je suis sûr que ce qu'on veut avoir comme fil conducteur, il pourra nous le produire. Voilà, donc il pourra donner des instructions, il pourra motiver les gens, pour, aller vers l'avant et pouvoir travailler vers l'idéal vers lequel nous devons tenir. Nous voulons euh, euh, aller. Donc c'est ça mes, mes, mots de remerciement à l'endroit des participants, à l'endroit des journalistes. Merci beaucoup. di capacité à man-man merci beaucoup. Production et de croissance, le travail sur lequel nous avons toute la maîtrise pour renforcer notre résistance et notre résilience face aux conjonctures internationales en perpétuelle mutation. Cette disponibilité euh, et cette maîtrise liée aux facteurs de travail seront le moyen véritable d'assurer notre pays, euh, d'assurer pour notre pays une souveraineté économique solide et durable. C'est pour s'investir pour une telle vision de développement et l'instauration de politiques publiques faisant du facteur travail le principal levier de notre croissance économique qu'est né le mouvement dénommé Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, AMFIT. Le mouvement AMFIT rassemble des mouvements et organisations citoyens, politiques, professionnels et autres au niveau national et dans la diaspora, engagés à promouvoir l'instauration d'une nouvelle approche de développement autour d'une production économique portée principalement par le facteur travail. Donc voilà euh, l'importance du manifeste. Donc fait à Dakar le 31 mars 2022. merci beaucoup. may suis ma mais sama ay di beral nuyoo bu baax monsieur Sanoussi Diakité moom sama xamante moom bi mu directeur de l'ONFP la office national formation professionnelle en 2014 dañu xamante bi ñu déposé foofu demande pour des formations fruits et légumes mu accordeel ñu ko madame Tinmi, mi mën na ci def témoignage parce que mu ngi fa woon wax dëgg yàlla ñu jël formation boobu def ko une activité phare famille di ci liggéey di si gis seen bopp ñu valoriser produit ñu amone machallah buñu togué ñu diir ñu ñëwaat demandé waat produit halieutique ñu ne nañ def rapport d'activité xol ñom biñu ñu formé ax ba fañu ñu di demandé waat formation lan lañu formation bi jariñ machallah biñu défé suñu rapport d'activité déposé waat ko ONFP ñom gis nañ né femmes yi réussir nañ ci formation bi mais wax dëgg yalla def nañ ko activité bo xamné mu ngi leen di jural comme masha'Allah, nous défat produits halieutiques. Madame Tin moi, je suis en charge de formation. Je suis aussi mon mot de l'ONDEF. Nous on est centre socioculturel, nous sommes les familles qui fait des fruits et légumes. Nous faisons des céréales locales. Nous fait des produits halieutiques. Nous fait des sabots. Nous fait des eaux de javel. Nous faisons des teintures bio. Nous faisons des. Nous, au Sénégal, nous avons li ñu war a def mooy valorisation promotion de nos ressources locales wax dëgg yàlla waruñu envier benn benn dëkk parce que yàlla may nañu lépp may nañu tamit ay jigéen ñu xarañ ñoo xam ne taxaw nañ pour liggéeyal seen bopp mais liggéeyal seen gox macha allah li ñu directeur woo Sanoussi ñun dañ siy sawar lool parce que biñ fi toogee ba léegi développement lañ fi dégg travail te ñun ci loolu la ñuy dox ku ñu woo ci développement woo ñu ci liggéey dañu ci ànd ak yow macha allah sawar nañu engagé wu nañ déterminé wu nañ engagé wu ci mouvement bi parce que liggéey la woote wax dëgg yàlla parce que nag ñun fi ñu toll nii dama koy tooñe sama famille ma ne leen ñun tollootuñu fu ñuy joxe 2000 wala 5000 du ñu yab ci ay kaar suñu yi dañu leen jàngal nu ñuy nappe jën xam nañ chaque jour naka lañuy def ba am 5000 xam nañ chaque jour naka la ñuy def ba am 10 xam nañ chaque jour naka lañuy ñuy liggéeyee ba jënd seen jesneer jënd seeni i kon ñun politiciens du ñu yéegal ci kaar ñu lay tàccu pour ngay dem ci kanam te wax dëgg yàlla bi ñu toogee fii ba léegi dégguñu si discours bu ni mel discours bu ñu naan fal leen moom wala gunge leen moom falu wala su ma faloo dinaa leen defal nangam dégguñu ko fii dañ leen dañu woote pour liggéey Pour pour développement nous sommes dañu engagé à 100 Il y a dëgg yàlla UDEFI na association qui a plus de 100 présidentes GIE la coopérative Nous avons plus de 100 femmes qui ont été gannaaw te buñ leen woowee ci objectif comme autonomisation des femmes employabilité des jeunes valorisation promotion de nos ressources locales trois facteurs qui ku développé Sénégal dina kanam té wax dëgg Yalla la soxé ñun am nañ si cité benn muy saabu bi ñuy liggé amna ay femme bu mu kanam chaque mois dina jënd valeur 000 francs ay produits yu bitim résultat ma produit 1000 francs savon ceeb bi mais une semaine la ko def mu ne li mu doon lijjanti ay at ci une semaine réussir na ko ak suñu produit yi kon ñun am nañ lépp am nañ lépp affaire mburu mi ñuy wax li ko mën a faj a ngi nii ceeb baa ngi fi riz local bi dugub yaa ngi fi mboq yaa ngi fi mën nañ ko def mburu mën nañ ko def ay eh, keek mën nañ ko def leneen ak leneen kon dëgg lii nii ñuy liggéey nii lii lañu ñu war a dooleel outiller femmes yi jox leen ay financement jàppale leen ba ñu taxaw parce que boo jàppalee jigéen jàppale une famille jàppale toute une société ñun de li nga ni dañ koy téye à 100 parce que ñun lii la ñu gëm ku ñu jàppale ci lii la ñu gëm di participer ci foire de di mën a jaay suñu ci fii nii ci marché local bi bala des ñu koy mën a import yóbbu bitim réew exporté ñun foofu la ñu Quand kon nag nous nga ñu ni vraiment lii dina ñu permettre ñu conserver suñu dignité hmm. xam suñu ay droit di mën participer ci instance de décision yi wax dëgg yàlla lii mooy daal li ñu doon wax naan continuons à conserver les droits des femmes dans une pour une intégration socio-économique si lii nag lañ mën a jaar jàppale jigéen ñi jigéen ju nekk man dara ku man dara defe naa vraiment di nga jàppale sa bopp jàppale sa njaboot te kër yi dina neex dina naat te góor yi bu boobaa xam nga góor bu mu amee takki ñaareel takki ñetteel mais jigéen bu amee doomam lay xalaat

formalisation financement foncier ak famille muy 6F yooyu suñ ko amee mooy autonomisation intégrale de la femme loolu mooy autonomisation intégrale de la femme te bu jigéen ñi réussir wax dëgg yàlla Sénégal jëm kanam dëkk bi naat macha allah foofu laay terminer di wax leen ne moom mii c'est un acte de développement gëj nañu gisee mais ndaxte mu may suivre te man aussi maa koy suivre parce que maa ngi koy gis jalon yi muy teg ndaxte moom aussi mu ngi xool di xool jalon yi ñuy teg fii nii góorgóorlu nañ ba fi ñuy bu ñuy estimer li jaar si UDEFI am formation 920 femmes biñ ko calculer barka démb bi ngeen ñëwee si cérémonie bi biñ comptabiliser lépp 920 femmes jaar nañu UDEFI am formation man dara te ku nekk yaa ngi siy xëy comme li ma wax rek laajkootuñu kenn gungeetuñu kenn foofu laay terminer di wax ne daal sa liggéey bi ñu woo ñun engagé wu nañ à 100 pour cent macha allah maa ngi gërëm ñëpp di rafetlu jataay bi